forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Monsieur, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes. Merci d'être à l'écoute du studio Kalangou et bienvenue au forum de la presse du studio Kalangou au micro Nafis Adam Sirfo. Si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce au réseau des 20 radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux des régions du Niger et dans les localités d'Arlit, de Tirozerine, de Menesorwa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue Dolbel et Aujourd'hui, vendredi 23 juin 2017, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine, entre autres thématiques qui seront débattues pendant 45 minutes. Le report de l'élection législative partielle à Maradi, l'attaque perpétrée vendredi 16 juin dernier sur une position de la gendarmerie nationale à quelques kilomètres de la commune urbaine de Méné, région de Difa ainsi que la prorogation de trois mois de l'état d'urgence dans trois régions dont leur situation sécuritaire est jugée délicate. Il s'agit des régions de Difa, de Tawa et Tilaberi. La France et les États-Unis sont parvenus à un accord sur un projet de résolution de l'ONU qui ouvre la voie au déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes de la région du Sahel. On en parle dans ce forum. Nous parlerons également de l'affaire du journaliste Baba Alpha poursuivi depuis des mois, d'abord pour faux usage de faux, puis usage de faux. Le jugement de la dite affaire qui devrait se tenir le vendredi 16 juin a été reporté au 27 juin sous demande de la défense. Ce sont là, entre autres questions, qui seront débattues dans ce forum. Et pour en débattre, nous avons dans ce studio M. Issa Madougou, il est journaliste à la télévision Ténéré. Issa, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également M. Jafar Maman, directeur de publication du journal indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de Murtala Mahamadou du journal La Griffe. Le premier point de ce forum, le président de la République Issifou Mahamadou a décidé par décret du report de l'élection législative prévue dans la région de Maradi. Je commence par Issa Madougou. Qu'est-ce qui explique ce report, Issa Vous savez, par rapport euh, à ce report, il y a déjà, quand il y avait l'annonce euh, de la tenue de ces élections partielles, il y a plusieurs paramètres qu'il fallait prendre en compte. Vous savez, au Niger, on a ce problème. Nos textes ne sont pas tellement approfondis par rapport à certaines situations. On se contente tellement de les faire à une situation de bien donnée. Et nous savons tous que depuis qu'il y a cette histoire de liste dans les élections au Niger, on est obligé, même si c'est régional, c'est une liste régionale, on est obligé de reprendre l'intégralité de toutes les élections au niveau de la région. Donc, pour un seul poste, c'est toute la région qui va aller Hmm. Euh, voter. Et vous voyez euh, les moyens d'abord financiers qu'il faudrait euh, mobiliser pour la tenue de ces élections. D'un autre plan, il faut aujourd'hui prendre en compte ce qui s'est passé en 2016 sortie de ces élections, vous savez, eh, les législatives, les résultats des législatives ont tellement été contestés dans ce tour, notamment dans la région de Maradi. Mm. il y a eu plusieurs contestations. Jusque-là, il y a des affaires qui n'ont pas eu de traitement. Par exemple, on conteste plusieurs candidats et formations politiques contestées. Moi, je pense que si euh, il a lieu de, les reprendre, mais ce n'est pas de reprendre. J'aurais bien voulu qu'au niveau euh, de, euh, de, la session extraordinaire tout récemment, qu'on puisse euh, revoir l'article concernant l'organisation de ces élections, par exemple, de prendre que la commission puisse prendre en compte tous ces aspects au cas où un député décède, son suppliant, et de trouver aussi d'autres mécanismes qu'il soit remplacé au lieu d'attaquer directement et de penser à organiser quelque chose. Nous savons tous qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation économique très difficile. Tout le monde le sait, l'État n'a pas les moyens d'organiser des élections à l'échelle d'une région et surtout pas une région euh, vraiment c'est Maradi hein. Mm-hmm. c'est l'une des régions les plus peuplées à présent qui a plus de, population de nombre d'électeurs et donc euh, Murtala est-ce que vous pensez que les procédures ont été respectées mm, bon les procédures on peut dire que jusque là euh, le, débat autour de, la reprise de, l'élection d'un député à Maradi a été suivi avec assez de précautions par le, gouvernement d'abord en, en retour tournant vers l'Assemblée pour clarifier le, texte régissant les élections au Niger. Mais on peut dire que ici, il faut voir deux aspects. Il y a le choix, euh, le respect de la conscience, et il y a le choix de la raison. Moi, je pense que c'est plus le choix de la raison qui a prévalu sur le choix, euh, sur le reste, le choix euh, constitutionnel qui autorise la reprise de cette élection. Mm. Du fait que, euh, l'a dit, il y a un certain nombre d'insuffisances qui ne permettent pas d'organiser dans la sérénité ces élections, notamment les textes qui ont été corrigés au niveau du Parlement. Mais même là, on aurait dû passer, comme il l'a dit, à, à, plus de souplesse. Mm. C'est quoi la souplesse c'est d'aller vers euh, euh, améliorer le texte de, telle sorte que c'est peut-être euh, au parti qui a mm. perdu ce poste-là de trouver un remplaçant et sans même aller aux élections. Moi, je pense que si dans le texte, dans la révision au niveau du Parlement, il y a eu cette procédure-là, ça allait épargner au Niger dans le contexte actuel où il y a plus d'urgence à gérer que véritablement aller investir euh, plus d'un milliard dans l'élection d'un député, euh, alors qu'au stade actuel, nous ne sommes plus à la Troisième République où l'absence d'un député peut déséquilibrer euh, le positionnement. Mm. des différents groupes parlementaires à l'Assemblée. Donc, si on comprend Issa Madou, ce report n'a pas sa raison d'être, si on peut en déduire non, c'est pas que ça n'a pas sa raison mm. d'être. Tout à l'heure, Jafar disait que c'est il y a la constitution qui parle, mm-hmm. il y a aussi la raison qui parle. Donc, on a préféré suivre la raison pour voir la réalité du pays, à, prendre cette décision. Mm. Mais sinon, la constitution est là. La constitution, elle est claire là-dessus qu'il faut reprendre ces élections. Mm. Mais maintenant, tout le monde sait que les conditions ne sont pas favorables à l'organisation de, de, de tels Donc, c'est pour cela que moi, je pense que c'est que au départ, je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a le problème se poser, il faut devoir euh, chercher d'abord à comprendre les textes parce que on a, nos textes sont très insuffisants au Niger. Mm. Dans tous les domaines, on a l'insuffisance de ces textes Il faut essayer de voir comment nous pouvons recadrer cela pour que, avoir le juste milieu pour ne pas euh, euh, eh, aller dans la violation de la loi. Mm. Parce que là, de cette décision, elle viole la loi. Il n'y a pas, il a pas d'autre chose à dire. Mm le report de cette décision viole délibérément la loi fondamentale. Mm-hmm. Mais c'est la raison que on peut trouver notre explication pour dire c'est la raison, les conditions, les réalités. Mais quand même, ça c'est une, violation qui n'honore pas aussi notre démocratie. Et cela ramène sur la table la question de revoir l'intégralité de nos textes. Parce qu'il y a ces textes qui sont insuffisants, qui sont en train d'handicaper parfois la marche même de l'État. Mm-hmm. Et qu'il faille revoir. Jafar Maman, êtes-vous d'avis qu'il faut revoir ces textes Oui, moi je, l'ai dit sur ce plateau, je pense qu'une fois j'ai dit que nous avons une constitution qui a été euh, taillée pour répondre à euh, la constitution de, de, la 7 République, qui a été taillée en 2010 pour répondre à un cas de quoi qu'on a eu c'était les Tazartis. Hmm. Mais est-ce que après les Tazartis, c'est-à-dire les constitutionnalistes et tous ceux qui ont donner leur, expertise pendant euh, l'élaboration de cette constitution n'ont pas été euh, suffisamment prudents pour, pour aller au-delà de ce pourquoi il, il, nous faut une, une euh, constitution qui allait déboucher sur la 7 République. On a plus mis de verrous sur des, cas qu'on a, qu'on a connus, mais en, n'ayant pas une ouverture pour ce qui peut arriver. Et aujourd'hui, ce contexte dont on parlait ici tout à l'heure, c'est ce qui est arrivé après tout ce qu'on a réglé. Ça veut dire que c'est un autre cas d'école qui n'a pas été prévu. Malheureusement, la Constitution n'a pas été. Justement, même les délais. De, de, justement. Et aujourd'hui, euh, cela nous prouve que cette Constitution comporte assez d'insuffisances. Vous vous rappelez, en suivant les débats des constitutionnalistes nigériens, euh, ils ont relevé un certain nombre de violations de la Constitution, assez euh, flagrant quand même. Cela prouve que il y a des insuffisances, même s'il y a des, des violations qu'on peut, euh, les débats restent, euh, restent à faire sur euh, la bonne foi de, de ceux qui sont chargés de, de l'appliquer. Mais il faut comprendre que beaucoup de violations sont l'œuvre de, de ces insuffisances-là de cette Constitution. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans la mm-hmm. Constitution et il, le fallait, il le fallait. Issa Madougou, pour euh, boucler ce, point du report, euh, qu'est-ce que vous avez à rajouter Moi, je pense que euh, c'est le lieu aujourd'hui de mener une réflexion approfondie par rapport à ces textes, hmm. parce que cette situation demande une fois de plus la nécessité de réviser ces textes. Il ne faut pas, Jafar l'a dit, on a tellement, on a fait notre constitution du 25 novembre à l'image d'une situation bien donnée. On a mis des verrues par rapport au mandat, la limitation de mandat, mais on n'a pas prévu de des situations qui peuvent venir. voilà plus d'une fois depuis 2016, euh, à l'organisation des élections, on a vu le problème de délai que ça a posé, qui mm. qu'il a fallu mettre le président dans une situation inconfortable. S'ils n'ont pas violé maintenant la Constitution, les dispositions pour organiser les élections du deuxième tour à temps, le président allait être vraiment hors, et mandat. Mhm. Et voilà encore une autre situation. Donc, c'est ce qui veut dire que on a une constitution qui présente des, insuffisances et que les gens, il faut que les acteurs acceptent quand on parle de révision d'être plus clairs aux yeux de l'opinion. Quand on parle de révision, ce n'est pas forcément là où il y a des verrous. Il faut réviser pour pouvoir parfaire la chose, pour qu'on puisse avoir le juste milieu. Mais mm. quand on parle de révision, au Niger, j'ai l'habitude de dire, les Nigériens ont tendance à effacer certains mots dans leur vocabulaire, <laughs> révision et le mot constitution. Dès qu'on entend ça, on va dire, où oh, c'est le tas qui est parce qu'on que on est hanté par cette euh, malheureuse expérience, dont a connu le Niger. Merci beaucoup. Deuxième euh, point de ce forum, l'attaque a repoussé vendredi 16 euh, dernier dans une localité de Difa. En effet, selon des sources locales et militaires, une position de la gendarmerie nationale située à 7 km de la commune urbaine de Ménesoroa a fait l'objet aux environs de 19h d'une attaque d'éléments armés non identifiés ces éléments armés circulaient à bord de trois véhicules 4x4, toujours selon les mêmes sources. Après 40 minutes d'échanges de tirs nourris, les forces de défense et de sécurité ont repoussé les assaillants. Les FDS ne comptent aucune victime dans leur rang. Cela veut dire que la paix n'est pas totalement revenue dans la région de Difa, n'est-ce pas, Jaffa Oui, euh, je pense qu'on ne peut pas parler de paix totale mais euh, on peut toujours parler d'accalmie et quand on fait la situation, on essaie de voir d'où est-ce qu'on est, euh, qu'on est parti, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une amélioration sécuritaire dans la région de Difa. Mais c'est là à dire qu'il y a une, une sécurité totale, je pense qu'on ne peut pas, on risque de ne pas être prudent et conséquent. Parce que dans, le contexte de, de, de, de, du terrorisme aujourd'hui, il n'y a pas une armée en face et une autre euh, euh, légale, euh, républicaine de l'autre côté mm. qui, qui, mène le combat. Mais on sait que c'est des susceptibilités d'attaque et de, de, de violence à tout moment et euh, à tout visage, puisqu'ils n'ont pas de visage, ça veut dire qu'on ne peut qu'être prudent. Mais seulement, je souligne quelque chose euh, dans cette attaque, si ça s'avère vrai, c'est mm. que qu'on on constate que ce, les, les, attaques se font à un moment bien déterminé. Mm. Cela doit certainement euh, attirer l'attention de nos forces de défense et de sécurité et des, des stratèges militaires. Quand on voit que c'est surtout pendant ce mois apparemment de Ramadan, c'est autour de d'un moment bien précis que euh, euh la période de, de, de, rupture, comme on dit, vers 19h. C'est le cas, si j'ai bonne mémoire, de l'attaque d'Abalak. C'était vers la même mhm. période. Mhm. Ça veut dire que, euh, euh, puisqu'on vient de finir pratiquement le Karam, ça veut dire qu'ils ont, ils cherchent toujours un point de faiblesse de l'armée régulière et les stratégies militaires devraient s'attarder sur ces réflexions-là pour voir. Mhm. Avant le ramadan, on sait qu'au fort moment de, de, de l'insécurité dans la région de Difa, c'est euh, au petit matin qu'ils attaquent. Mhm. L'essentiel de leurs attaques, c'est au petit matin ou soit le soir vers Maghrib avant la tombée, euh, véritablement avant que les, les, gens ne partent au lit. Mhm. Ça veut dire que c'est des, c'est des questions qu'il faut prendre en charge mais on constate, on ne peut pas parler de, le, gouvernement est conséquent là-dessus puisque je vois que lors du dernier conseil du ministre, ils ont renouvelé, euh, ou c'est l'avant-dernier, ils ont euh, renouvelé l'état d'urgence. Ça veut dire mm-hmm. qu'il n'y a pas véritablement sécurité. Alors, Issa Madougou, vous, quelle lecture euh, faites-vous de cette situation sécuritaire à Difa Écoutez, la situation sécuritaire à Difa, il faut d'abord dire que ça va un peu par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'on a connu. Parce que oh, on a connu une période où il y a une recrudescence des attaques mm. de la secte Boko Haram. Et depuis la mise en place de la force multinationale, on a vu des victoires euh, de nos euh, forces de défense et de sécurité des, troupes, des, des pays qui sont dans la coalition. Et ça nous a conduit à vraiment une situation plus ou moins stable, parce qu'avec la diminution euh, des attaques euh, de, ces combattants de Boko Haram. Mais ce qu'il faut dire, quand on parle de réduction, le plus souvent, qu'est-ce qui a été à la base de ça Il ne faut pas oublier que le plus souvent, c'est le lani du lac Tchad. On est à une période où il y a la sécheresse, il n'y a pas d'eau. Donc les eaux se sont retirées. Et donc, eux, les assaillants, ça les avantage pas. Parce qu'en ce temps, nos forces de défense et de sécurité peuvent pénétrer partout, peuvent les poursuivre partout. Maintenant, vous voyez, dès qu'il y a les premiers pluies et dès que le lit commence à se retrouver, il y a les eaux dans le lit, ils commencent leurs attaques. Ce qui veut dire que maintenant, on a compris qu'ils ils connaissent mieux ce territoire que ces zones qui que nos forces de défense et de mhm. sécurité, c'est ce qui fait qu'il y a cette reprise des attaques. Mais malheureusement, Dieu a fait en sorte qu'ils n'ont pas eu victoire et que mhm. Dieu continue de, donner la victoire à nos forces de défense et de sécurité. Mhm. Parce que cette situation, il faut le dire, il y a euh, beaucoup de paramètres autour, de, ça. Jafar l'a dit tout à l'heure, ils, ils ont des heures pour d'attaque. Et là, c'est des stratégies militaires qu'on devrait penser. Bon, on est, sur des zones <laughs> d'une radio, on ne peut pas aller rentrer au fond de, la, question. Mais, quand même, ça devrait faire tiquer beaucoup de, de, stratégies pour trouver une solution pour contrecarrer parce qu'il y a la calmie qui revient. Maintenant, c'est que le travail qui est en train d'être apporté au niveau de la région de Difa, c'est que d'amener ces populations à être résilientes par rapport à toutes ces difficultés qu'ils ont connues. Mais maintenant, s'il y a le retour des, attaques, ça va plus euh, endommager, et amortir la dynamique aujourd'hui de faire en sorte que ces populations puissent être capables de se relever face à cette situation qui les a mis dans une situation catastrophique. Alors, euh, Murtala Mahaman du, Mahamadou du journal La Griffe, euh, vous venez de nous rejoindre. Il est question ici de la question d'insécurité qui prévaut dans la région de Difa. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour venir à bout de cette euh, question d'insécurité Alors, en plus de ce que, ce que vient de dire mes prédécesseurs, je crois qu'il faut aussi mettre un accent sur la question de la collaboration des populations de cette zone parce que euh, si on suit le fil de toutes les attaques qui ont eu lieu contre les forces de défense et de sécurité du Niger et autres, euh, on a vu qu'il y a quand même un élément de surprise qui vient toujours. Alors, cet élément de surprise, c'est parce que peut-être le maillage du, point de vue des renseignements n'est pas assez important. Alors, euh, il existe aujourd'hui des possibilités qui peuvent être exploitées avec les populations locales, qui peuvent signaler avec une bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité, signaler de tout mouvement qui peut leur permettre être suspect. Donc euh, là aussi, euh, peut-être bien évidemment avec des garanties pour les protéger contre les éventuelles représailles, mais je crois que c'est euh, une piste qui peut-être est en train d'être exploitée. Je ne sais pas, je ne mm-hmm. suis pas les secrets, mais de mon point de vue, c'est quelque chose qui, de, l'avis de plusieurs spécialistes de, questions de sécurité, peut être un élément important mm-hmm. dans ce combat qui peut aider à venir à bout de, cette force qui malheureusement continue encore à résister à toutes les, eh, à tous les combats, à toutes les attaques qu'on essaie de leur mener. On, on, voit euh, il y a aussi euh, beaucoup d'ONG humanitaires qui viennent en aide à ces eh, comment ces populations qui sont affectées par ces attaques. Qu'est-ce qui doit être fait davantage pour venir à ces qu'est-ce que les ONG doivent renforcer comment ils doivent renforcer leur euh, activité pour venir en aide à cette populations D'accord. D'abord, c'est des populations euh, qui, euh, d'abord, perdent leur euh, principal lieu de, résidence, mm. qui sont déplacées pour l'essentiel. Et qui dit déplacées, dit aussi perte de, la principale activité qui qui génératrice des revenus de ces populations. Donc, elles, sont, elles ont carrément tout perdu à un moment donné. Alors maintenant, il s'agit de trouver pour ceux qui, qui, qui, dont il est encore possible de leur trouver des possibilités de relancer les activités dans lesquelles ils étaient. Mais pour d'autres, il va falloir penser, se songer forcément à une reconversion professionnelle. Donc euh, euh, le problème est tellement grand qu'on ne peut pas peut-être le résoudre seulement avec euh, euh, l'aide humanitaire d'urgence qui est là pour pallier aux urgences, ce serait peut-être un programme euh, euh, qui serait beaucoup plus, qui va s'inscrire dans la durée. Mm-hmm. C'est cela qui va permettre de pouvoir euh, véritablement restituer, restaurer les tissus social qui a été carrément détruit dans plusieurs zones de cette région malheureusement. Monsieur Jafar, euh, outre la région de Difa, on le sait, les régions de Tawa et Tilaberi sont également euh, sérieusement affectées par ces attaques. Et comment dirais-je, le communiqué du Conseil des ministres du 16, 16 juin dernier dit que c'est l'effondrement de la Libye qui a entraîné la multiplication des groupes terroristes qui se sont dispersés dans toute euh, la sous-région, particulièrement au Niger. Êtes-vous d'avis oui, je pense que le Nigérien qui observe la question libyenne et, à travers elle euh, la, situation du, du Nord Mali savent que euh, il y a un lien véritable entre ce que nous gérons sur le point sécuritaire et la, et, la situation, le fondement de, la Libye. Mm. Mais il faut, il faut relativiser aussi, aussi, les choses. Depuis le fondement de la Libye, je pense que si euh, s'il faut faire un petit bilan, euh, on, dirait que le Niger a joué pratiquement sa partition pour contenir le retour des combattants et la, euh, rentrée d'armes sur notre territoire. Mm. Je peux dire euh, relativement. Mais quand la situation est venue du camp malien où ces mêmes combattants avec des armes que à l'époque nos, armées nigériennes et maliennes n'ont pas, ont été accueillis en grande pompe. Et malheureusement, ça n'a pas été géré au Nord Mali. Et on a vu comment euh, s'est transformé le Nord Mali à euh, un foyer de combat entre euh, d'un camp, ce qu'on a voulu appeler terroriste djihadiste et mm. la rébellion Touareg. Sinon, les deux, me, me semble, font un. Mm. Et à partir de cette situation-là, nous avons connu tout ce que nous avions. Quand vous prenez la région d'Etawa et Tilaberi, c'est la longue frontière avec le Mali. Ça veut dire que c'est les conséquences de, l'effondrement de, l'État libyen. Ajouté à peut-être une mauvaise gestion de, la guerre au Mali, puisqu'on n'avait pas pris assez de dispositions. J'ai l'habitude de le dire peut-être sur ce plateau ou ailleurs que en même temps qu'on a envoyé nos forces au Mali pour euh, combattre les terroristes du Nord Mali, il fallait sécuriser nos frontières. Quand il y a eu l'opération Berkane, l'intervention de, la France à, l'époque, au moment de, la crise, on aurait dû nous prendre des dispositions pour sécuriser. Certes, c'est une, longue frontière et poreuse, mais on aurait dû prendre des dispositions, sécuriser nos frontières et laisser la, force française et peut-être euh, la force tchadienne qui qui a secouru la force française et, le restant de la force malienne combattre sur le territoire malien, ça allait nous euh, permettre de de prendre en charge cette, cette région-là. Mm. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut tirer les conséquences. Aujourd'hui, il faut le dire, on ne peut solutionner cette situation que d'un côté qu'il y ait un État libyen mm. euh, euh, uni, un État libyen, comme on dit, moderne, stable, mm. et en même temps, il faut qu'il y ait le Nord Mali réconcilié avec Bamako, mm-hmm. Mm-hmm. puisqu'il ne s'agit pas d'accuser le, fondement de la Libye, alors qu'on a, on assiste à, à, un État dans un État au mm-hmm. Mali. Aujourd'hui, Kidal est sécurisé par certains... Euh, par certaines forces, peut-être même <laughs> françaises. et aujourd'hui, j'ai dit, il n'est pas exclu de constater que les, attaques que nous subissons sortent de, de, de Kidal puisque Kidal est géré par les combattants, mhm. dangereusement armés. Il n'y a aucune force qui le contrôle, mais ils peuvent sortir, venir frapper sur notre territoire et retourner, rentrer dans Kidal et on empêche aux forces qui luttent contre le, terrorisme dans cette région-là de, rentrer dans Kidal. Mhm. Donc il y a deux situations. Il faut focaliser sur la reconstitution de l'État libyen, mais il faut aussi unifier l'État malien en faisant quoi en hein, permettant à, l'armée euh, régulière malienne d'investir Kidal. Murtala Mahamadou, on le sait, ici au Niger, pour faire face à cette euh, question d'insécurité, l'État euh, nigérien proroge d'habitude l'état d'urgence dans les différentes localités qui sont affectées. La dernière, au cours du Conseil des ministres du 16, il a prorogé pour trois mois, pour une durée de trois mois, l'état d'urgence dans la région de Difa, Tawa et est-ce que vous pensez que c'est la solution adéquate pour faire face à cette situation d'insécurité Écoutez, face à cette, euh, situation, je ne pense pas qu'il puisse exister une solution qu'on peut appeler la solution. Alors, mhm. euh, il y a toujours euh, des réflexions qui sont menées et que, par exemple, je pense que cette solution d'instauration de l'état d'urgence euh, je peux dire, commence déjà à porter ses fruits dans notre pays. Donc, euh, d'où, je crois, cette reconduction euh, quasiment de façon automatique à chaque fois qu'elle arrive à expiration. ça a permis de, de, juguler en partie ce problème de sécurité dans la région de Difa. Et que, donc, on estime que euh, dans cette zone également, en instaurant cet état d'urgence qui va fixer certes des limitations pour les citoyens, mais ça va élargir le champ d'action, les champs d'intervention des forces de défense et de sécurité afin qu'elles puissent euh, endiguer d'éventuelles euh, menaces. Mm. Donc, c'est une solution, c'est peut-être la meilleure que nous disposons aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est la, c'est la solution absolue. Alors, euh, quant, à, quant, au lien avec le communiqué du Conseil des ministre, euh, je suis un peu de l'avis de Jafar, mais moi je suis un peu plus, quelque peu outré qu'on s'attarde toujours sur le cas de la Libye. Alors mm. que euh, l'effondrement de la Libye aurait dû entraîner aussi des situations similaires dans la partie nord du pays, de notre pays, avec frontalière avec la Libye, dans la région d'Agadez. Ce n'a pas été le cas. Il a fallu que l'État malien s'effondre, que l'État malien soit dans une situation de déliquescence totale pour que nous ayons des, une situation d'insécurité tout au long de la frontière, notre frontière avec l'État malien, dans sa partie nord qui n'est pas contrôlée par euh, le gouvernement mmh. central de, mmh. Bamako. Mmh. Donc, euh, euh, il y a d'une part, c'est vrai, euh, la chute de la, crise en Libye qui a précipité la, crise malienne, mais c'est aujourd'hui les conséquences de la crise malienne que nous subissons et de la gestion qui en a été faite. Mm. Donc, toutes les attaques, je dis, c'est de façon absolue. Elles ne viennent pas de la partie sud de l'État malien qui est assez éloignée de, cette frontière, de cette partie dont il est question. Elles viennent de cette zone de, territoire malien qui reste encore sous le contrôle des forces dont on ne connaît pas encore l'agenda véritable. On sait si ce sont des, forces terroristes, si c'est des rébellions euh, euh, à, je sais pas, vocation indépendantiste touareg. Euh, c'est un méli-mélo dans lequel je crois il y a un problème sérieux. Donc il faut beaucoup plus, je pense, qu'on dise les choses telles qu'elles sont. D'abord, l'État malien doit être restauré dans son intégrité. C'est cela qui va nous permettre, qui va atténuer les contre-coups que nous subissons dans euh, cette partie de notre territoire, dans, en l'occurrence les régions de, de, mm. et d'État. Alors, selon vous, Issa qu'est-ce qui doit être fait pour venir à bout de cette euh, question de sécurité dans ces trois régions ben, Écoutez, ce que l'État est en train de faire, euh, ce qu'il peut faire, parce qu'il ne faut pas oublier, guillé une crise sécuritaire, ça nécessite des moyens. Nous savons tous que nos pays n'ont pas les moyens de leur politique sécuritaire il faut chaque fois tendre la main pour pouvoir avoir un appui et mettre en place une force. Mais le fait de, décréter l'état d'urgence, dans un premier temps, c'est d'abord bien, ça va un peu stabiliser, mais quand même, il faut que cette situation aussi soit plus souple avec les populations. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle dans la région de, de Tilaberi, notamment vers Wallam, avec l'état d'urgence, c'est la catastrophe. Parce que l'état d'urgence n'est pas du tout soufflé. Il n'y a aucune mesure. Même en pleine journée, les gars sont capables de tirer sur des civils. C'est vrai, les gens ont demandé des dérogations. Faites-nous des dérogations, nous voulons, parce que nous savons que la situation est critique, mais nous ne pouvons pas vivre sans nos activités. Nous ne pouvons pas vivre sans nos échanges commerciaux. Nous avons besoin de quoi vivre. Parce que vous savez, la situation dans la région de Wallam, elle est très critique. Et ce qui est en train de se passer là-bas, sans que personne ne parle, je ne sais pas ce qui fait ça. C'est de la mauvaise foi ou quoi. Toutes les organisations humanitaires ont quitté cette zone aujourd'hui. Il n'y a rien. Les populations sont laissées à leur sort. Il n'y a pas d'école. Quand vous partez à partir de Wallam, c'est là-bas seulement que vous allez sentir un semblant de vie. Mais quand vous quittez Wallam pour aller vers Banibongo jusqu'à la frontière, Mangézé, en dépassant Mongézé jusqu'à à la frontière, c'est un semblant de vie. Aucune organisation humanitaire. La majorité des organisations, ceux qui sont là même, c'est que c'est des organisations à but caritatif avec les, ceux qui sont venus du Golfe. Mhm. Et avec la situation actuelle de ce qui se passe, avec la position de notre pays, nous savons bien et bien ce qui va se passer mhm. parce qu'ils vont se retirer. Mais ceux qui sont là, c'est pas du travail qu'ils sont en train de faire. Ils ont retiré leur personnel parce mm. que disons que la situation n'est pas du tout propice pour leur activité. C'est pour cela, moi, je pense que l'état gens doit être pensé autrement, qu'il soit souple, parce que vous savez, il y a une étude qui a été menée au Niger depuis où on parle de la perception de, l'insécurité par les populations. Parce qu'il n'y a pas cette entente. C'est pour ça tout à l'heure, Kamoutala a parlé de collaboration entre les populations à dénoncer tout comportement et qui fait ou oh, ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas cette cohésion, il n'y a pas cette entente, cette collaboration entre les populations euh, et, les forces de défense et de, sécurité. Mm. C'est pour cela qu'on devrait crier. Mais je vois, j'ai vu la semaine passée euh, un début, un semblant. De, de, réconciliation, des tentatives de rapprochement entre les forces de défense et les populations, surtout au niveau de la région de Walam, mm. où c'est là-bas qu'il y a vraiment cette différenciation entre forces de défense parce qu'il n'y a pas du tout cette collaboration. Ils ont fait des dons, des activités vraiment humanitaires à l'endroit des populations et je pense que ça peut aller. Mais quand même, la crise sécuritaire au Niger, il ne faut pas essayer maintenant de chercher encore les causes pour dire c'est toujours la Libye, le Nord Mali. Maintenant, nous la vivons. Mm. Trouvons les solutions. Faites en sorte que tout le monde participe à lutter contre cette insécurité parce que quand on parle d'insécurité, on ne peut pas parler de développement. Nous sommes dans un pays où tout est priorité. Sécurisons d'abord nos frontières. Faites en sorte que la paix soit une réalité au Niger, la consolider et penser d'abord après le développement. Merci Issa. L'actualité de la semaine, c'est aussi cet accord trouvé entre la France et les États-Unis sur le projet de résolution concernant la force commune du G5 Sahel. En effet, cet accord obtenu euh, ouvre la voie au déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes de la région du Sahel. Alors, Murtala, est-ce que vous pensez que la, mise en place de cette force sous le couvert de l'ONU peut éradiquer le djihadisme au Sahel Bon, écoutez, euh, cette force, je pense qu'elle a, elle a toute son utilité. Euh, d'être là, d'être présente. Euh, du fait euh, des efforts des, pays concernés. Vous savez que depuis la guerre, l'effondrement de l'État libyen qui a précipité la crise malienne, il y a cette question de terrorisme qui dérange le pays, comme on dit, du Sahel. Il y a le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et puis le Burkina qui s'est ajouté. Et ils sont en train de réfléchir sur comment prendre la question en charge. On savait qu'à un certain moment, c'est la Mauritanie, c'est la force euh, mauritanienne qui vient intervenir pour suivre des terroristes et des trafiquants de drogue jusque dans, sur le territoire malien, puisqu'ils avaient plus de moyens sécuritaires que les Maliens. Mais il fallait une synergie d'action. Et cette synergie d'action ne peut venir que des armées. Malheureusement, le, j'ai dit la situation de la Libye et du Mali a créé une autre urgence pour nos armées, mhm. ce qui fait que jusqu'à preuve de contraire, nos armées utilisent leurs euh, moyens financiers pour la prise en charge de la force mixte euh, qui lutte dans le bassin du Niger. Alors, Monsieur Murtala, vous, est-ce que vous pensez qu'il y a-t-il lieu de se féliciter de cet accord oui, bien évidemment que oui, parce que, euh, écoutez, c'est la zone du Sahel est, une zone qui, qui est en proie des menaces sécuritaires euh, depuis plusieurs années. Euh, maintenant, aujourd'hui, qu'on essaie de s'organiser et qu'on a trouvé la formule, il fallait aussi trouver un parrain mais un parrain qui puisse apporter l'appui financier nécessaire. Tout à l'heure, Madougou le disait, nos États n'ont pas cette capacité à pouvoir euh, prendre en charge toutes ces dépenses-là. Euh, on l'a vu, les impacts sur les différents secteurs au niveau des de budgets nationaux des différents États, particulièrement du nôtre. Alors, aujourd'hui, que ce soit une résolution des Nations Unies, alors ça va permettre d'abord d'assurer et d'amener cette... Euh, euh, cet apport financier qui va permettre à cette force d'être opérationnelle, mais aussi sur le plan juridique euh, international, ça va apporter une certaine couverture euh, aux troupes qui seront sur le terrain. Mm. Donc c'est un plus en plus, qui va permettre, de mon point de vue, si c'est bien géré, parce que le tout n'est pas d'avoir des forces. On a vu les forces sous couvert des Nations Unies ailleurs qui n'ont pas porté les résultats escomptés. Euh, c'est bien conduit, qui va permettre de, pouvoir, euh, euh, ne serait-ce que casser les, principales articulations de, ces différents groupes terroristes. Mm. Donc, aux États, aux forces armées nationales, on a de gérer l'insécurité résiduelle qui va en découler. Issa Madougou, quelle lecture vous faites de cet accord ben, moi, j'aimerais d'abord que, avant de, parler de l'accord, il faut un peu faire la genèse de la situation. Vous savez, le, c'est le G5 Sahel qui mm. regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Donc, c'était dans l'organisation qui prévoyait de lutter contre le terrorisme et contre euh, l'insécurité eh, ambiante et le trafic de drogue dans la mm. zone. Vous savez bel et bien que c'est, euh, il faut, c'est un, euh, un, mm. secret de punitionnel. Le G5, c'est quoi C'est une transformation de la force. Euh, si on peut le dire, c'est la forme de tirailleur du XXIe siècle qui a été créée par la France, tout mm. simplement. Vous, vous, rappelez en début du, mois de sujet, il y a eu à Bamako la réunion des ministres des Affaires étrangères par rapport, parce que c'est un projet qui a été qui a gestation depuis, qui a eu d'abord la reconnaissance du Conseil de paix de sécurité de l'Union africaine. Parce que c'est ce qui manquait à la force. Il y avait eu la réunion des ministres des Affaires étrangères où il y a la chef de la diplomatie européenne, Mogherini, qui a annoncé l'appui de 50 millions d'euros de l'Union européenne à la mise en place de cette force qui, au départ, était de 5 000, qui devrait passer à 10 000. Maintenant, la France avait mis une résolution, avait soumis une résolution. en premier lieu, ils ça a été rejeté parce qu'il y avait eu le veto des Américains qui n'étaient pas d'accord et des Anglais, hmm. qui n'étaient pas d'accord avec la mise en place de cette force. Maintenant, la France ne voulait pas perdre la face devant ces tirailleurs, ces nouveaux tirailleurs du XXIe siècle, parce que ce qui va se passer, c'est que Barkhane est en train de, de, de, euh, de, de, euh, c'est qui m'échappe, de monnayer son combat. Hmm. C'est la sous-traitance que nous soldats vont faire. C'est ça qui va être dangereux. Barkhane est là. Mais Barkhane ne sera plus sur le champ de théâtre. Mmh. C'est nos forces de service qui seront maintenant ces tirailleurs qui vont servir de bouclier à Barkhane pendant qu'on ne sait pas ce que Barkhane est en train de faire parce que, au, regard du matériel que Barkhane est en train de déployer dans la zone du Sahel, nous ne comprenons pas si c'est combattre des terroristes parce qu'avec des quatre avec des et autres machines qui utilise dans les bâtiments, qui sont de plus en plus utilisés dans le désert, on, ne sait pas ce qui se passe réellement. Mhm. C'est pour cela, aujourd'hui, cette décision, elle est aussi une décision qui a, un couteau à double tranchant, parce que les États-Unis ne vont pas financer. Mhm. Maintenant, il faudrait mobiliser au-delà des 50 millions, 400 milliards, 100 milliards par État, si les États n'ont ont les moyens. Mais nous savons tous que aujourd'hui, cette force, c'est pour cela qu'on ne peut pas comprendre dans une zone parce que quand on parle de sécurité, dans la zone sahélienne, il faut forcément parler de la zone sahélienne. Il faut, c'est une zone sahélo-saharienne. Comment comprendre exclure l'Algérie de cette force la, Mauritanie en tant que telle, c'est une qui n'a pas, pratiquement subi d'attaque terroriste. Mm. C'est seulement quelques attaques isolées contre l'ambassade d'Israël, une fois un quartier IP qui a été la cible. Mais s'il y a un territoire qui a plus, plus de djihadistes et d'extrémistes, c'est c'est la Mauritanie. Mm, nous ne pouvons pas comprendre cela. C'est G5, c'est juste la forme qu'il faudrait revoir. Nous, nous allons pas accepter que nos soldats puissent être des sous-traitants d'une guerre qui ne sortiront pas gagnants. L'affaire Baba Alpha était aussi à la une de l'actualité cette semaine. Baba Alpha est désormais poursuivi pour usage de faux. Le fausseur Omar Sidi a déjà bénéficié d'une remise en liberté provisoire puisque les faits ont été requalifiés à lieu et place de faux et usage de faux. Baba El Fai et son père gardent encore prison. Le jugement au fond de cette affaire prévu le 16 juin dernier a finalement été reporté au 27 juin dernier et prochain. Une décision qui répond à une demande de la défense de Baba El Fay de son père qui souhaite pouvoir mieux s'organiser. Monsieur Jafar, êtes-vous optimiste quant à une prochaine relaxe de Baba El Fai de son père? Oui, optimiste euh, en ce qui concerne euh, le déroulé de, la procédure judiciaire, euh, quand on sait qu'on est déjà en phase de jugement. Et lorsqu'on est en phase du jugement, on ne peut que souhaiter la diligence du juge. Puisque cette question est, je pense qu'elle elle est encadrée par le regard des citoyens nigériens et pris de justice qui veulent qu'il y ait euh, une certaine équité dans, le procès. Mm. Et quand vous voyez le regard des Nigériens sur le Kababa, cela prouve combien les Nigériens sont euh, souciés de leur justice et de la justice, euh, mm. comme on dit, juste. Et c'est pour cela, je pense que nous devrons être confiants et tout en lui apportant notre soutien, Mm-hmm. de euh, souhaiter qu'il y ait euh, plus de diligence dans, dans le déroulé du procès. C'est quoi la diligence C'est de respecter les procédures judiciaires pendant un procès et de dire le droit mm-hmm. rien que le droit. Monsieur Murtala, je reviens vers vous. La semaine dernière, euh, dernière les organisations des journalistes ont rendu une déclaration. Pensez-vous que cette déclaration a eu un effet dans la corporation ou chez les décideurs alors, euh, chez les décideurs, je pense certainement que oui. Certainement que oui chez les décideurs, parce que ça, ça, ça, a forcément attiré leur attention de voir que quand même, euh, au sein de la corporation, euh, l'essentiel des structures organisées essaie d'être derrière ce, ce, ce, ce, collègue qui a quand même été président du conseil d'administration de la maison de la presse. Mm. maintenant, pour ce qui est de, de, de l'impact sur le procès, je ne pense pas que ça puisse impacter le procès parce que la appareil judiciaire, si euh, une déclaration doit avoir euh, une incidence sur le déroulement d'un procès, euh, je crois que nous serons tous en insécurité judiciaire. Mm-hmm. Donc maintenant, c'est le ce qu'on puisse espérer, c'est que euh, cette procédure puisse être conduite à, bon port le plus tôt possible afin que les, euh, personnes euh, citées puissent connaître leur sort le plus tôt possible et aussi mieux s'organiser pour d'éventuels recours s'il y a lieu. Mais je suis de d'avis, je suis de ceux qui pensent que Alpha, et le père et le fils, doivent recouvrir leur liberté dans cette affaire. Issa Madougou, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette question Vous savez, la déclaration. Rapidement. Euh, oui, la déclaration de, des bureaux exécutifs de, des syndicats, entre autres, comme dans le syndicat, dont lui-même le Sénatec Babal Faye, le secrétaire général, il y a le Sinajoc, le Sinaprel et autres, et l'association Jour. Je pense que cette, euh, cette sortie médiatique vraiment euh, mérite notre soutien parce que. Et, depuis l'arrestation, il n'y avait pas eu assez de Il fallait au départ. Mais quand même, quand il y avait eu la réqualification des faits, parce que l'étonnement même dans la déclaration, c'est pour cela que les gens se sont dit étonnés de voir dans la réqualification des faits, comment on peut dire euh, usage faux et usage de faux. Mm. Maintenant, le fausseur, lui, il est en liberté. Mais celui pour qui le faux a été produit, c'est lui qu'on arrête. Mm. Donc, ce qui veut dire qu'on encourage l'autre, le fausseur, à continuer à faire, à produire du faux, pendant que toi qui as bénéficié de ce, c'est toi qui vas euh, ramasser les pots cassés de ces actes et c'est toi qui vas être euh, à sa place. Mm. Donc, voyez-vous, c'est cette justice deux poids, de mesures que les organisations ont voulu dénoncer. Pour dire que quand on parle de justice, tout le monde doit être égaux devant les lois de la République. Mhm. Il n'y a pas de super citoyen. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. C'est pour cela qu'il faudrait que euh, euh, ce, dossier soit traité avec vraiment la plus euh, diligence. pour que justice soit rendue. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, un veillard de plus de 110 ans qui coupait sans Ça fait plus de deux mois. Merci, Donc vraiment, il faut se dire qu'il y a la raison parfois qui devrait nous interpeller par rapport à certaines choses. Nous sommes au terme de ce forum euh, de la presse. Merci, chers auditeurs et auditrices qui nous avons suivis. Nous étions avec M. Issa Madougou, journaliste à la télévision Ténéré. Merci, Issa, d'être venu. Nous étions également avec Mourtara du journal La Griffe. Euh, merci à vous d'être venu également. Et enfin, Monsieur Jafar, euh, merci de votre participation. la technique a été assurée par euh, Hassan Tawai. la réalisation par Boubacar Diallo et à la présentation, c'était Nefis Adam Sirfo. Bonne rupture à tous ceux qui nous écoutent.